mardi 14 mars 2023. Il vient d'être 11h à Niamey et partout au Niger, chers auditeurs. Bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'est Ali Moukela Ouseni alias Seno 50% et avec moi Fanta Chamsou. La technique est assurée par Mustafa Ayouba et à l'édition Rahilatou Soumana. Bonjour Fanta, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, Alhamdulillah Seno. Et toi, ça va Ça va bien, Dieu merci. Super, alors qu'est-ce que nous allons servir à nos chers auditeurs ce matin Ce matin, Fanta, comme d'habitude, cette, édition va s'ouvrir avec le flash d'information. Dans la rubrique euh, hebdomadaire santé, nous parlerons de reflux gastrique avec euh, le spécialiste Dr Madougou Boubacar. Ensuite, nous allons faire un tour à Tawa pour évoquer le sujet de la scolarisation des enfants des réfugiés maliens dans la rubrique éco des régions. Il y aura également du loti avec les femmes du studio Kalangu. Et comme invité, notre confrère Assouman Aboubakar s'est entretenu avec Omar Ibrahim, le directeur de l'aménagement hydro-agricole de Giratawa dans la région de Maradi. Et bien sûr, chers auditeurs, nous avons choisi pour vous un bon cocktail de musique nigérienne, du reggae pour être précis. chers auditeurs, c'est avec Michel Déji que nous débutons cette édition. Michel qui est là pour euh, le flash d'information. Bonjour Michel. Bonjour Ceno, Bonjour Fanta. Alors Michel, quelles sont les infos ce matin oui, tout d'abord, il faut souligner que le président de la République euh, du Niger, Mohamed Bazoum, séjourne depuis hier au Bénin pour une visite de travail de 48 heures. Il a visité les infrastructures euh, portuaires euh, du port autonome de Cotonou et la station terminale du pipeline Sport Niger-Bénin, dont les travaux sont exécutés à près de 80% et prévus se terminer en fin 2023. Nous avons décidé que nous évacuons notre pétrole à partir euh, du port de Cotonou. Cet engagement est un engagement irrévocable et nous ferons toujours en sorte que notre relation soit harmonieuse et profitable à nos deux pays, avait déclaré Mohamed Bazoum lors d'une conférence de presse qu'il a co avec euh, son homologue béninois Patrice Talon les inscriptions des pèlerins dans le système de gestion automatisé du Hajj et de la Umrah Gaho débutent aujourd'hui pour se clôturer le 14 avril prochain. L'annonce a été faite par le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho qui demande à tous les acteurs impliqués dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque et les chefs d'agence de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la réussite de cette opération. Un fait divers pour clore ce flash d'information. Une jeune femme du village de Daré dans la commune urbaine de Matamei, département de Kanché, région de Zander, s'est donnée la mort par pendaison vendredi. Selon des témoignages, elle aurait été mariée de force par son père à un homme qu'elle n'aime pas. Après ce tact, le préfet de Kanché, Moussa Dantani, appelle aux parents de concerter leurs enfants avant de sceller un mariage pour s'assurer que les deux partenaires s'aiment effectivement. Et c'est tout pour ce flash euh, d'information. Merci à nos auditeurs de l'avoir suivi. Bonne suite d'écoute radiophonique de l'émission le Niger sous Kalangu. Merci infiniment, Michel. Comme annoncé dans les titres, notre entretien du jour sera avec Omar Ibrahim, le directeur du périmètre irrigué de Giratawa dans la région de Maradi. Oui, c'est Le périmètre de Giratawa, c'est 650 hectares et plus de 4000 exploitants, dont moins de 10% représentent les femmes. Mais avant d'en savoir plus sur cet espace, chers auditeurs, nous vous proposons de souffler en musique, n'est-ce pas, nous Bien sûr, Fanta, ça sera du reggae avec le titre Unité de Adams Junior. SOS tribalism asibori-bori yeah. wakiri malabo tunandi avec la democracy. yeah. on get civila, national, SOS tribalism, Asibori Baria, Wakirmala Botunandi, avec la démocratie. il avec la démocratie, chers auditeurs et auditrices. C'était là le titre Unité, un morceau plein de sens, hein, chanté par le feu Boubacar Garba Adamou, alias Adams Ginor, que vous venez d'écouter, né le 5 avril 1966 à Gaïa, dans la région de Dosso, au sud-ouest du Niger. Adams Junior a été le premier reggaeman nigérien avec des titres devenus cultes tels que Sauver la femme, c'est la mère de l'humanité, Zinaria, unité que vous venez juste d'écouter. L'artiste Oseno, très connu et aimé par les mélomanes nigériens avant son départ pour les États-Unis d'Amérique, <clears throat> Adams faisait partie de ceux qui avaient lutté avec leur talent afin de franchir toutes les frontières à la musique nigérienne. Effectivement, Fanta, Adams Junior mettait autant hein, de soins à faire euh, une musique de qualité, agréable à écouter et l'accompagner avec des clips vidéo bien adaptés au contexte. Adams Junior était tout simplement pétri du talent, mais rappelé à Dieu il y a 14 ans de cela. Paix à son âme. Paix à son âme. Après cette pause musicale, chers auditeurs, il est temps de passer à l'entretien du jour. Oui, c'est nous, comme annoncé aujourd'hui, c'est Tasman Aboubakar qui s'est entretenu avec le directeur de l'aménagement hydro-agricole de Giratawa, Omar Ibrahim, nous présente le périmètre irrigué, les différentes cultures qui se pratiquent sur place, mais aussi les difficultés que rencontrent les producteurs dans leurs activités. On l'écoute. Pouvez-vous nous présenter le périmètre irrigué de Giratawa Donc euh, le périmètre a été réalisé en 82. Et en 82, il était prévu d'aménager 7300 hectares. Et malheureusement, c'est 512 hectares seulement qui ont été aménagés. Et 40 ans après, la superficie totale aménagée est de 650 hectares pour Giratawa 1. Et à la réalisation, le nombre des exploitants était de 716 exploitants, contre 4227 en 2023 actuellement. 11 villages et la ville de Maradi exploitent le périmètre de Giratawa. Et donc, au niveau des exploitants, j'ai omis de dire, nous avons 305 femmes exploitantes. Le périmètre, euh, c'est un aménagement à polyculture avec un système de production continu sur toute l'année. Quelles sont les principales cultures produites pendant la saison des pluies et pendant la période de contre-saison sur ce périmètre Comme euh, spéculation produite, nous avons en saison pluvieuse, les principales cultures, c'est le maïs, et les piments, et on a le sorgho, l'aubergine, le manioc, le moringa, la banane. Voilà un peu les principales cultures. En contre-saison, nous avons l'anis et le blé. Toutes les cultures maraîchères en fait, dont le moringa, le manioc et, la banane. Et à d'autres activités comme euh, la pisciculture qui est donc euh, produite autour du périmètre. Nous sommes connectés au réseau de la Nigelec et nous avons 56 forages équipés d'électropompes qui fonctionnent toute l'année. Quels sont les atouts de ce périmètre irrigué Les atouts, c'est surtout la disponibilité des produits frais sur toute l'année. Donc, euh, il y a plus de création d'emplois sur le périmètre. Donc, au, fur et à mesure, il y a des activités, la production. Donc, les jeunes se retrouvent eh, dans la production et eh, la commercialisation, aussi la transformation, le transport aussi. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la gestion de ce périmètre irrigué Les contraintes, c'est surtout le morcellement des parcelles est dû à la pression démographique. Quand on voit de, 716 exploitants en 82, maintenant nous sommes à 4200 pour une superficie de 650 hectares seulement. Ça veut dire qu'il y a un, besoin d'extension vraiment du périmètre parce que la disponibilité en terre à aménager est là. La deuxième contrainte, c'est la diversité des ennemis de culture. La troisième contrainte, c'est le coût élevé de l'énergie électrique par an comme facture euh, d'énergie 144 millions, c'est une moyenne de 144 millions donc qui est versée à, à la société d'exploitation de l'énergie électrique. L'autre contrainte, c'est le problème des entrants agricoles. Et ça fait deux ans vraiment, le rendement a beaucoup chuté le rendement à l'hectare, vraiment, par rapport aux années antérieures, le rendement a beaucoup baissé. Et le problème, c'est le manque vraiment de fertilisation des, du, sol. Parce que vraiment, le sac d'engrais tourne autour de 30, 35 000. Et ça veut dire que vraiment, les paysans, quelquefois n'a pas les moyens pour euh, s'approvisionner normalement en entrant agricole. Et il y a aussi la menace du goulbi, il y a le goulbi qui longe le périmètre, donc il y a la menace du goulbi sur le périmètre. Voilà un peu les contraintes les plus importantes rencontrées sur le périmètre. Avant de continuer cet entretien, chers auditeurs, nous allons encore souffler en musique. C'est nous, c'est quoi la liste Eh oui, Fanta, nous allons toujours rester dans le même style musical pour écouter un autre reggae du terroir. Il s'agit de King Noman. Malheureusement, lui aussi euh, ne plus de ce monde. Écoutons son featuring avec euh, Fatima Rico, la voix d'or de la musique nigérienne. Ça donne tout simplement contribution positive. jama jama podiga original so contribution positive pour un nouveau monde regarde ça elle bonheur et prospérité le son de l'humanité qui donne une énergie positive à toutes les communautés you know listen and a mouth, Uvala Mandima, Uvala Mandima, Uvala Mandima, Uvala Mandima, Uvala Mandima, Dima, Sapa Conduso, Lana Tirabel, Melemon, Arabella, she not also step on the Optimum, Telesal, Lesson, the Tesson, Kenanulame, the Fancy Metal, Feather in a wonderful and new Vermont. Chimno Masi Bambam. Loyalty. Demás, maladie, pauvreté sont des tristes man. Injustice à cœur, à côté la misère qui m'en Mille poliers n'en vis, sont menaces qui m'en Mon de plein n'en vis, sont bouleversé, ouais. C'est un dimanche, c'est un dimanche, gagne pour amaran de sang. C'est un dimanche, c'est un dimanche, gagne pour amaran de sang. Maran de commune, pour invictor commune, so maran de commune, pour invictor commune, so. Ouvale mon dimanche, ouvale mon dimanche, ouvale mon dimanche, ouvale mon dimanche.

c'est dans toutes les nations, c'est la décrispation. L'Europe est devenue de l'immigration. L'Afrique vit toujours dans la colonisation. La se va contre la population Les États-Unis, de la pollution. Mais citoyens du monde, citoyens du monde, ça double contribue, Les Citoyens du monde, citoyens du monde, ça double contribue, Où va le mandiment Où va le monde, Où va le monde, Où va le mandiment Où va le mandiment sans La up to my best, smell him when the air bello. She not all sit there, one set up to him now. Well, let's start with less, I'm a set of test, so turn and will I make. My friends, we mess up, but not in a a new woman. Contribution positive, cher auditeur, c'est le titre de cette merveilleuse chanson percutante de l'artiste Feu King Noma, accompagnée par la diva Fatima Rico. Nous espérons que vous avez aimé. Fanta, tu as kiffé Bien sûr, c'est J'ai grave aimé, surtout le refrain chanté par la diva, tu sais, de façon bien harmonisée. En mhm. fait, c'est une chanson qui me rappelle l'époque où j'étais un peu plus jeune que ça. J'essayais de répéter les paroles de King Norman, mais je crois que je suis jamais arrivée. Ah bon <laughs> Allez, répète un peu, je vois. Je sais que t'as... as. Où va le bon dimanche Où va le bon <laughs> Tu vois, je me débrouille pas mal. Hein. Fini la pause, nous. Revenons à nos mots et oui, Fanta, on écoute euh, la suite de l'entretien de Omar Ibrahim, le directeur du périmètre irrigué de Giratawa, au micro de Asumana Aboubakar. Il aborde cette fois-ci euh, le problème d'eau auquel fait face les producteurs. La gestion de l'eau au niveau du périmètre. Bon, au niveau de la gestion de l'eau, vous savez, le périmètre a été réalisé il y a plus de 40 ans. Il y a plusieurs forages qui ont perdu leur débit initial. On a 56 forages. Et sur ces 56 forages-là, on a 12 forages qui n'arrivent même pas à irriguer un hectare. On a des forages qui ont 0, qui irriguent 0,96 hectares en contre-saison. Et ça veut dire qu'ils ne sont pas productifs. Donc, le tour d'eau sur le périmètre, avec la baisse du débit, quelquefois les coupures de l'énergie électrique, donc il est vraiment prolongé au lieu de d'irriguer chaque euh, semaine ou chaque 10 euh, jours, quelquefois les paysans sont obligés d'attendre jusqu'à 20 jours pour vraiment avoir le tour d'eau. Donc euh, tout ça vraiment c'est les équipements, ce sont des équipements vieux et très fatigués qu'on a sur le périmètre. maintenant, je sais est-ce que vous avez un cri de cœur ou un appel à lancer Bon, notre appel va surtout à l'endroit de, nos opérateurs économiques et nos, politiciens locaux. Et sur le périmètre, on a environ 100 hectares qui ne sont pas mis en valeur. Et moi, je crois que la bonne façon de faire la politique, c'est appuyer les producteurs dans, dans la production agricole. Et ça, c'est un. Deuxièmement, pour vraiment résoudre le problème de la commercialisation, il faut penser à la création des unités de transformation et des produits agricoles pour résoudre vraiment le problème de la commercialisation. Et il faut aussi vraiment voir comment appuyer les producteurs dans leur approvisionnement en entrant agricole. C'était Omar Ibrahim, directeur de l'aménagement agricole, au micro de Assoumana Aboubakar. Sinon, maintenant, on passe à la rubrique santé. T'as quoi pour nous ce matin ce matin, Fat, nous allons parler de reflux gastriques, euh, des douleurs récurrentes qui créent le désespoir hein, de guérison chez les personnes atteintes. Et pourtant, tu sais, un, traitement existe et on peut les éviter selon le spécialiste. Tu entends à tout bout de champ hein, les gens se plaindre euh, d'ulcères ou d'estomac, mais est-ce qu'il s'agit vraiment de la même maladie nous saurons la réponse avec Dr Boubacar Madougou, gastro-entérologue interrogé par Habiba Ahmed qu'est-ce que le reflux gastrique Alors, le reflux gastro ésophagien plutôt que le reflux gastrique, c'est une remontée intempestive du contenu de l'estomac dans l'œsophage. Se manifeste typiquement par euh, une brûlure qui survient en plein milieu de la poitrine et c'est une brûlure qui a tendance à remonter tout au long de l'œsophage et elle est souvent accompagnée des remontées des aliments ou des liquides jusque dans la bouche. Quelles sont les causes du reflux gastro ésophagien docteur Il y a plusieurs causes, mais seul mécanisme. C'est surtout ce qu'on appelle une incompétence du système de rétention de contention au niveau donc euh, du cardiaque. lorsque ce dispositif qui empêche les remontées et que le reflux survient. Chez l'adulte, il y a deux causes principales. Il y a ce qu'on appelle les causes mécaniques, c'est surtout ce qu'on appelle la hernie hiatale, et il y a les causes fonctionnelles, ce sont donc des baisses importantes de la pression, la continence du muscle qu'on appelle le sphincter inférieur, qui est un muscle qui est au niveau de la partie inférieure de l'œsophage et qui a la capacité de se contracter significativement pour fermer le passage et empêcher donc ces remontées. L'obésité peut aussi euh, engendrer des reflux. Et chez la femme enceinte, surtout au troisième trimestre de grossesse, du fait de la compression de la grossesse sur le diaphragme, ça peut aussi engendrer donc des reflux. Il y a certains médicaments qui peuvent euh, engendrer un reflux gastro-œsophagien. Et enfin, il y a certains aliments qui peuvent aggraver le reflux. Ce sont surtout les aliments très très sucrés. Quelle est la différence entre le reflux gastro-œsophagien et l'ulcère Il y a une très grande différence entre ces deux maladies. Le reflux, c'est vraiment cette remontée du contenu de l'estomac à travers euh, l'œsophage. Alors que l'ulcère, qu'on appelle l'ulcère gastrique ou duodénal, est typiquement une plaie qui apparaît au niveau de l'une de ces parties du tube digestif ou c'est l'estomac en ce moment, on parle d'ulcère gastrique, ou bien c'est le duodénum, on parle d'ulcère duodénal. Le duodénum, c'est la première partie de l'intestin qui commence juste après l'estomac. Donc, il y a une différence fondamentale entre ces deux maladies. Le seul examen qui permet vraiment de faire la différence, c'est l'endoscopie digestive, ce qu'on appelle la fibroscopie gastro isodiodénale, qu'on pratique. Là, ça permet typiquement de voir l'ulcère qui est une plaie positionnée à l'un des endroits que je vais de dire, ou bien au niveau du duodenum, ou bien au niveau de l'estomac, alors que dans le reflux, il n'y a pas de plaie. Voilà la différence. Est-ce qu'on peut prévenir l'ulcère gastrique Il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques. Ce sont des comportements ou bien des choses à éviter ou à faire pour éviter la maladie. Typiquement, il faudra éviter les stations où l'estomac reste vide trop longtemps. Pour ça, il va falloir manger à des heures fixes. Deuxièmement, il faut éviter ce qu'on appelle les anti-inflammatoires non stéroïdiens ce sont des médicaments qui peuvent aussi vraiment significativement augmenter la sécrétion acide gastrique et détériorer les mécanismes de protection de la muqueuse gastrique ou de la muqueuse euh, duodénale. Pour agir sur la bactérie Helicobacter pylori, ce sont des mesures d'hygiène parce que cette bactérie, c'est une bactérie des mains sales, c'est une maladie qui s'acquiert lorsque on ne lave pas suffisamment les mains ou bien on ne lave pas suffisamment les aliments surtout crus et c'est une infection qui s'acquiert très tôt dans et qui peut évoluer en provoquant cet ulcère qui aussi peut évoluer vers d'autres complications. Alors, docteur, comment est-ce qu'on traite l'ulcère gastrique Il y a les médicaments qui agissent sur l'hypersécrétion acide, qui est le mécanisme principal. Ces médicaments, c'est ce qu'on appelle les antisécrétoires. Et il y en a principalement deux types. Il y a ceux qu'on appelle les anti-histaminiques de type 2. Les anti-H2, c'est typiquement ce que les gens connaissent, la cimétidine, la ranitidine. Et il y a ce qu'on appelle les IPP, c'est les inhibiteurs de la pompe à protons. Et ça, c'est tout ce qui omeprazole, pantoprazole, abeprazole, isoméprazole. Les auditeurs connaissent bien ces médicaments et ces médicaments-là doivent être pris sur une durée suffisante de 4 à 6 semaines pour avoir un effet sur euh, la plaie et avoir une cicatrisation et éviter la rechute. Et il y a le traitement de la bactérie lorsqu'il y a un ulcère qui dure deux semaines en général. On fait un traitement d'entretien avec les antisécrétoires pendant 4 à 6 semaines selon le siège de l'ulcère. Merci Habiba de nous avoir édifié à ce sujet concernant euh, le reflux gastrique. Alors j'espère que le médecin a rassuré plus euh, d'un puisqu'un traitement existe, il faut juste aller consulter. Chers auditeurs, avant de continuer cette émission, une autre balade en musique, mais on change de couleur musicale cette fois-ci en quittant le style reggae nigérien pour retrouver le style hip-hop avec ce groupe de rap Donkowa. yamma sai kwai haye zo ga burzu gai yamma sai kwai haye zo kurmi kuiga rashe kwani baba sana kuiga la pri kora henna bebi ete biya to ki pasle ose na ter pomis bye. jeunes Africain, remettons la pendule à l'heure. Il est temps de prendre conscience, de tourner d'eau aux illusions qui sont la tour de nos souffrances. Eldorado espagnol pour nous, les portes d'azur se Combien de nos frères sont revenus les poches trouées Combien de nos frères de l'océan ils ont péri Combien de nos frères ont été milliers aux îles Canaries fermer derrière les barreaux, n'y sont jamais revenus. N'y va pas, là-bas c'est pas le bienvenu. Ouvrons les yeux, tournons-nous vers ce bonheur que Dieu nous a donné des terres fertiles et bien garnies. Les activités génératrices de revenus, ma hay kulle bona yamma sai koi ma zo ka hay gai yamma sai koi haye zo kurmi bidu rashe pani

Hey. Les pays repose au sein de sa jeunesse. Elle ne doit pas la guider, quelles que soient les circonstances. La bravoure, le savoir l'innovation, c'est à cette obsession une véritable solution. Tu travailles en Afrique, il y en a plein. Tu Du Méditerranée, il y en a plein. En Afrique, il y en a de pas gagner son pain. as tes besoins et ne plus avoir faim. Courage, faire d'ici, et pour toi bien. laisse toi bas, et ne baisse jamais les bras. Immigré, émigré, ouais, nous serons pas. Jeune Afrique, pas mais n'y va pas. Je ne vois pas la tête que tu vaincras. Sois le meilleur, quoi que tu sois, faut que tu crois. Et ton gagne fin, c'est le travail que tu feras. c'est le travail que tu verras. Yeah, my baby, यम्मा तेरी कोई है ये लो काबू हो गई यम्मा तेरी कोई है ये लो कुर्मी बिगो रशे पानी बाबा चना बिगो लापे कोरा हन्ना बेरी रशे पानी boy hey hey no kabul tu gai yamma ti boy hey hey no urmi ti yamma ti boy hey hey N'y va pas, amis fidèles auditeurs et auditrices. Vous l'aurez compris, c'est le titre de cette chanson de ce groupe d'Ankoa, un groupe composé de deux jeunes rappeurs qui rappent en, en, langue et en français. Dans ce titre, ils parlent hein, du phénomène de la migration irrégulière qui conduit certains jeunes Africains à la mort. Et dans ce morceau, Sino Dankowa attire également l'attention des jeunes Africains sur l'importance de rester chez soi afin d'exploiter les richesses de la terre. Effectivement. Alors, chers auditeurs, c'est l'heure du reportage régional. C'est exact, Sino. Aujourd'hui, nous allons faire un tour dans le deuxième arrondissement de Tawa où plus de 160 élèves tous des enfants des réfugiés venus du Mali sont inscrits à l'école Guébenzougui. Pour en savoir plus, chers auditeurs, Madame Hadi Hajia Mariama Abdou Waziri, inspectrice Tawa 2, nous explique la situation. Elle est au micro de Idrissa Adamou. ekwal gefen zogi ekwal ce wadda banda yara wa'anga na cikin gari akwai ɗiyan 'yan gudun hijira uwayensu cikin unguwar gefen zogi ne suke sai su. a larantare don yaro 240 ne mun ka rubuta akwai mace 167 namiji 73 shi ya tashi jimilla yaro 240 lokaci na tahiya yanzu yaran da muke da cikin mu yaro 160 ne cikin yaro 160 'yan gudun hijira akwai yaro gomiya tara da bakwai mace e, namiji 63 kun ga ana iya cewa nan ne sun yi ƙasa. to madam halin yanzu menene ke dalilin ƙaurace ma zuwa makaranta da su nan yaran suka yi a halin yau dalili shi ne kamar yanayin da yaran nan suke ciki mai wahala Za ka ga yaro ya zo lakwal bai karya ba babu ko wani takalmi in aka ce recreation kin wannan in suka ruga wata ran suka koma ba su komowa wata ran sai bayan kwana biyu kwana uku kai wata ran sai directors skin ma ta je ta koro su ta je gidajen su ta jawo su ta taho da su kuma yara ne wanda kama ba su da nutsuwa ya taɓi rayuwarsu tunda yawancinsu yaran nan wasu uwayen an kashe su can cikin tashi hankalin nan da an kai wasu wasu da sun ka kwaso su sun ka taho da su. Domin karama wayannan yaran karhin gwiwar ci gaba da karatun nasu yalla watakila akwai wasu masu hannu da shuni ko wani tallafi da kuka samu daga gwamnati da ke kama ma tafiyar su wayannan yaran. Lalle kwanan nan akwai ONG kofi sun zo sun ce za su tallafa ma wayannan yara refugee ɗari da sittin sun ɗauki cikin lakwalkin madam biyar su zo suna ba su horo duk wata ana ba ta jikka ashirin na takasin su ne ake ba su. To yaran wannan muka ce musu wata ran suna zauwa da yunwa ba su karya ba akwai wahala suka ce to za su ɗauka di yaro di a ba shi dala ɗari ran laraba a ba shi dala ɗari to wannan kuɗi ba za a ba su ba ga hannuwansu sai suka ce to suna son a ba su wadda za ta yi kama yara da huwa ran samdi ta musu da huwa ran laraba ta musu da huwa a kawo musu su ce to yanzu an fara an yi kamar yanzu yana kamar tsawon wata guda da aka fara wannan e, tallahi na kofi kuma alhamdulillahi mun ga yaran sun fara tahowa saboda abincin nan da suke samu suna ci to kuma tsawon wata uku ne ita kofi za ta wannan tallafi muna fatan bayan wannan wata uku in ya ida tana yiwuwa a samu kuma hallo wasu masu hannu da shuni ko ko mutane haka masu abun kansu wanda za su tausayawa su zo su ba yaran wannan tallafi a samu su yi lakwal su yi lakwal kamar yaranmu kuma su zamna C'était Madame Hadi Hajia euh, Mariam Abdouaziri, inspectrice Tawa, au micro de Idrissa Adamou. Idrissa Adamou que nous allons prendre en ligne dans un instant, si la technique nous est favorable, bien sûr. Allô Allô Allô Ah, Idrissa ka tu Eh, muna lafiya. Alhamdulillah ya Ya tawa. Eh, tawa c'est gode Allah. To Idris yanzu muka yi da sauraron rahotonka akan yaran nan 'yan gudun hijira da yanayin karatunsu. hali ne dai da babu daɗin ji sosai nake cewa kamar ta ɓangaren yaran waɗanda irin matsaltsalu ne aka fi samu ko za ka iya ƙara zayyana masu sauraron mu eh, to maganganun da ake samu dai da su yaran bai kai ba kama wata abin da za su sama bakin su da lafi shine ke zama dalilin ƙaurace ma zuwa makarantar nan saboda iyayen nasu so fita da su a cikin gari domin tafiya neman wani dan aiki aikin da su shiri su dan samu dan abin da a zakwa a dan sa tukunya kunya da makamantansu to kun ji irin dalilan a duk lokacin da aka tuntuɓe su maganar karatu ta iyayen su ce suna a gatan wa'annan yaran saboda dan tallafin da suke nan ga samu daga jama'a makwabta da kuma sauran da ke dan kama dai abin bai ta karya ba su kun yi irin maganganun da ke fitowa ga dukkan alamu suna buƙatar tallafi sosai ba dan karami ba. To nake cewa ko a ta ɓangaren mu'amalar su tare da sauran ɗalibai, nan ba su samun matsaltsalu haka? Eh to lalle babu wannan zancen kamar ga firin da muka samu muka da ɗansu. Babu wannan a ce yaran suna kawo ɗan bambanci ko kusa ɗan ɗan zama da su wannan babu shi tsakanin yaran. da dukkan alamun ma inda aka samu wani ci gaba su yara wanda zama to ainihin 'yan garin idan wanda Allah ya kore ma uwayen suka bakkoci wani abin da ya zaka da shi wurin recreation mm. za ka ganin suna mu'amala a zama a ci tare da wayannan yaran dan dai su kara ma abokansu karfin gwiwar ci gaba da kasancewa tare da su kun yi irin hulɗa da ke da kwai su tsakanin su wayannan yaran. Mm. to menene ya ci gaba sosai bayan wannan rahoton da ka yi. to ci gaban da aka samu shine bayan da muka tattauna da ita inspector skin akwai wata kungiya wata ONG da ake cima search To saboda muna da ma'amala da su kuma su kansu suna da shirye-shirye wa'anda zama mutum makamantar irin wa'anda na kara mayar karfin gwiwa eh, zuwa karatu da kuma abin da ya shafi waye kai bisa ga zamantakewa yau da kullum na kai koke inda suke su wa'annan 'yan kin haɗin da aka yi katari suka ce a bada lambar ita inspectors kin mm. kuma ta wata hanya sun samu sun kira inspectors Chers auditeurs, on fait une pause et on se retrouve juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Fanta, c'est l'ère euh, du sport. Oui, c'est nous et c'est avec le chroniqueur sportif Sariou Adam Yerima que nous allons faire le tour de l'actualité sportive. Bonjour Sariou. Bonjour Fanta, bonjour Seno. Bonjour. Alors Sariou, quelles sont les nouvelles sportives ce matin alors, nous en parlions ces derniers jours. L'équipe nationale de football U23 du MENA se prépare pour les éliminatoires de la Cannes U23. Avant ce dernier tour des éliminatoires, il va, va jouer contre le Soudan, le MENA jouera ce vendredi un match amical international contre son homologue de la Zambie. Le coup d'envoi est prévu à 16h30 au stade général Sénikounte de Niamey. Adam, alors quelles sont les chances du Niger pour une qualification à cette phase finale pour la Cannes U23 Eh bien, Fanta, sachez que l'enjeu qu'il y a autour de cette compétition est que le Niger ne s'est jamais qualifié en phase finale de cette catégorie. Et si le MENA U23 arrive à se qualifier en phase de groupe de cette Can U23, le Niger pourrait avoir de chances de participer à la Coupe du Monde de cette même catégorie mais également aux Jeux olympiques de Paris 2024. Alors Sariou, apparemment l'enjeu est vraiment de taille. Alors euh, on dira bonne chance euh, au MENA. Et toujours en football, Adam, ce week-end il se jouait la finale de la Coupe de Dosso. Oui, en effet, c'est le national de Dandy de Gaïa qui a remporté la Coupe régionale de Dosso en disposant de l'équipe d'Arewa de Doganduti à Lucie des tirs je vous propose d'ailleurs d'écouter l'entraîneur du vainqueur au micro de notre correspondante Nana Hadiza Hassan. Les enfants se sont donnés. Nous avons essayé de mouiller le maillot dans le jeu et de gagner dans le match dans le jeu. Dieu a fait que c'est au tir au but qu'on allait gagner cette coupe. Et vraiment, les enfants n'ont pas de mérite. Sinon, d'entrée en jeu, on a raté un penalty à la quatrième minute qu'on ne devait pas faire. Ça aurait été, on avait le premier but, le penalty, et ça allait peut-être tourner autrement. Dieu merci, on a pu gagner. Les enfants ont été décisifs et vraiment au tir au but, ils nous ont fait vraiment jouir. Vous savez, l'organisation de la Coupe nationale, c'est en même temps l'organisation du championnat. Nous avons, on s'est entraîné trois mois d'affilée sans cesse. Et c'est les résultats comme ça. Le national d'Andy, c'est des jeunes et on a renouvelé notre équipe à plus de 90%. Donc ils sont là, les nouveaux jeunes qu'on a amenés, ils sont en train de montrer qu'ils peuvent faire mieux que ceux qui sont partis. Le football, c'est une question de fair play. Tantôt on est gagnant, tantôt on est perdant. Et aujourd'hui, le bon Dieu a fait en sorte que c'est nous qui sommes choisis. Fanta, notons que c'est le national de Dundee Football Club de Gaïa qui va représenter la région de Dosso aux éliminatoires de la Coupe nationale. Alors, Sariou, à présent, parlons hors de nos frontières. Oui, la Ligue des Champions revient ce soir avec euh, les rencontres de la les rencontres du quart de finale retour. Manchester City reçoit le RB Leipzig après un match nul de un but partout à l'aller. Dans l'autre rencontre de la soirée, le FC Porto reçoit l'Inter après un match aller remporté par les Italiens à domicile sur une petite marge de 1 but à 0. C'est tout pour cette chronique. Au plaisir de vous retrouver pour un autre numéro. nous le duo magique. <laughs> Merci. de nous avoir tenu compagnie tout au long de la rubrique sportive. C'est nous. on passe au portrait du jour. Oui, Fanta, aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Asma ou hein, Garba, juriste de formation. Elle était dans le secteur privé, notamment dans les assurances où elle a occupé des postes de responsabilité avant de se lancer dans la politique. Elle nous raconte ses premiers pas dans cette sphère au micro de Oumu Oumarou. Asma Ogarba est une juriste de formation. Elle était dans le secteur privé, notamment dans les assurances où elle a occupé des postes de responsabilité avant de se lancer dans la politique. Asma O fut députée nationale en 2011 2016. Et depuis février, elle occupe le poste de secrétaire générale adjointe du gouvernement avec rang de ministre. Elle raconte ses premiers pas dans la sphère politique. Mon parcours politique, c'est que j'ai milité dès la base dans mon quartier et dans ma ville. Et j'ai évolué dans les différentes structures dans le quartier pour atteindre le niveau communal et dans, mon, dans ma ville, chez moi. Après au niveau régional et au niveau national. J'ai choisi de faire la politique. J'ai arrivé comme ça. J'ai mon frère qui est entré en politique et mon mari aussi qui faisait un peu de politique. Donc, euh, en toute logique, je me suis dit que je ne vais pas rester derrière. Je vais accompagner l'un d'eux. Et il se trouve que c'est le parti dans lequel militait mon grand frère qui m'a le plus attiré. Parce que c'est un parti dans lequel je retrouve la même idéologie que j'avais quand j'étais scolaire, parce que je militais aussi dans les structures scolaires. Donc logiquement et tout naturellement, je suis rentré dans le parti dans lequel militait mon grand frère. Mais cela n'a pas causé de problème entre mon mari et moi. Cela n'a pas causé de friction entre nous. Au contraire, c'est toujours euh, de discussions sereines et on s'est donné des idées, chacun dans son parti. par la suite, mon mari, lui, l'a a abandonné la politique. Et moi, j'ai continué. Ma famille n'a pas réagi autrement. Elle a réagi que c'est une bonne chose. Elle estime que c'est son ouverture d'esprit et sa sociabilité qui lui a facilité son intégration dans ce domaine. Je n'ai vraiment pas rencontré de difficultés. Mon mari comprenant bien et mon grand frère qui m'a accueilli à bras ouverts parce que je suis venu le renforcer. Voilà, donc il n'y a eu aucun problème. Moi, je me dis que on dirait que euh, je suis destiné à faire la politique et les gens m'ont accueilli très favorablement. Les gens m'attendaient. je crois que c'est dû à ma nature. Euh, je suis ouverte, je suis sociable, j'ai pas d'obstacle entre moi et les gens. Donc, euh, j'ai été bien accueilli. Ali Tafa, natif de Boboy, le même département que Asmaou, témoigne de sa contribution au développement de sa communauté. À partir du deuxième mandat du président Issoufou Mahamadou, elle a été nommée secrétaire générale adjointe du gouvernement en second, poste qu'elle a occupé avec succès. Elle fait presque l'unanimité. J'ai dit bien presque parce qu'en politique, c'est difficile de faire l'unanimité. Mais j'ai parie que sur trois jeunes ou sur trois femmes, vous allez trouver deux qui lui sont favorables. On voit un peu la dimension sociale de la dame. Un paysan peut rester dans le fond fond d'un village le BP, elle répond immédiatement. Elle s'inquiète des problèmes et elle essaie de donner des solutions. Je me souviens quand elle achetait des téléphones portables avec des puces, elle me donnait pour amener à des villageois qui se trouvent dans des villages lointains des anciens pour juste s'enquérir de leurs nouvelles et leur apporter assistance aux besoins. Créer une place pour la femme en politique, tel est l'objectif que s'est fixé Asma Ougarba. Merci euh, Oumarou pour ce beau reportage. Chers auditeurs, pour boucler notre playlist musicale d'aujourd'hui, nous allons écouter le dernier morceau sur la liste. Il s'agit de Tari Nje, chanté par Bilal Ketch. On écoute. mandunia ngabala zabo dari enje fo problem awozo bela men chetani raje dari enje enje enje enje zamani paradiso ausa njuzo zara maizo guru kanorizo laradizo gurumantaizo niganeko nijarizo birna kamata gerse irza bayga yere banda sake ni sama na maji alfa sake ni sama na maji jama kai goje ni sama na maji ke be mi ji ai so bizana saji burke mi te ma padara masara chme fondo sasara ir mirwa e bare ge bakar amai se barkar tabi se kam paisa ne ge mokar Kambasi dabu, dabu. Tabat man, yes, tabat. Be careful, people. Tari mesdames et messieurs, hein, c'était bien Bilal Kech oui, c'est nous. Et à présent, on passe au loti du jour. Aujourd'hui, dans cette rubrique, les femmes du studio Kalangu mettent l'accent sur la consommation du petit cola, un produit qui fait la cote chez les femmes, notamment ici au Niger, pour cause il serait un puissant aphrodisiaque. Et eh oui, cependant, nombreuses sont celles qui en abusent et ce n'est pas sans conséquences sur leur santé, bien sûr. Retrouvons Rakia Arimi et Samira Rouafi hein, pour euh, nous en dire plus. Affairage. Affairage. Coco, Coco, Coco, il y a quelqu'un ici Oui, un truc. Bonjour ma belle, ça va Tu vas bien et eh, c'est toi Bonjour, comment tu vas Bismillah, prends place. J'ai fini d'écraser mes petits colas, je te reviens. Hmm, sa fille, avec ses spécialités, écraser les petits colas pour faire quoi avec Hé, hey, ma cocotte, tu n'es pas dans ces C'est un aphrodisiaque très efficace, ma belle. Le petit cola possède des vertus qui stimulent l'appétit sexuel chez la femme et surtout chez les hommes. C'est vrai, sa fille. Le petit cola a des vertus reconnues en médecine traditionnelle africaine. Et j'aurais même appris qu'il contient des substances antiseptiques Antioxydant et anti inflammatoire qui aide à soigner quelques maladies telles que la plaie de ventre, les plaies curables et tout. Il soulage les maladies bucco-dentaires et rafraîchit la laine. Il soulage aussi les règles douloureuses, l'ulcère gastrique à cause de sa teneur en caféine qui dépasse même celle contenue dans le café. Et sans trop parler, ça soulage beaucoup de maladies. Mashallah, c'est une bonne nouvelle ça. Tu vois, je ne connais pas tout cela. Oui, Safi, mais de la façon dont tu en consommes, hmm. on dirait une vraie, vraie, vraie spécialiste. Kadi, je consomme à peu près 20 colas par jour. Ce n'est pas beaucoup. Subhanallah. Sa son excès de consommation est très dangereux. Il est conseillé par les médecins de ne pas dépasser deux noix de cola par jour. La plupart des personnes ne connaissent aucun effet secondaire. Mais si on en abuse, cela peut entraîner chez certaines personnes des problèmes digestifs et dans des cas rares des maux d'estomac et des nausées. C'est aussi très dangereux pour une personne qui a des problèmes cardiaques et un hypertendu. C'est de conseiller de prendre le petit cola si vous êtes enceinte ou pendant l'allaitement. Les vins noirs là, je ne les consomme pas seul, hein, J'y ajoute du gingembre et du coulou de girofle pour booster ma libido et celle du chef. Ya salam, Sophia. Donc, si je comprends, tu veux me dire de ne plus le consommer Non, non. Tout ce que je veux, c'est que tu arrêtes d'en abuser. Depuis fort longtemps, le gingembre est consommé aux quatre coins du monde pour soulager différents maux tels que les rhumatismes, les nausées, le rhume et les maux de tête. Mais en cas de surdosage, vous aurez des effets secondaires comme brûlures et des maux d'estomac, des gaz et des ballonnements, des diarrhées, mais aussi des menstruations plus abondantes chez les femmes. Le clou de girofle est un aliment sûr, mais comme les aliments, mieux vaut éviter les excès. Ok, ok, ok, je comprends maintenant je vais juste essayer d'en prendre en petite quantité. Ce n'est pas une question d'essayer. Il faut que tu le fasses. Et tu dois en prendre en une quantité raisonnable. C'est tout. Mais toi, de préférence, comme tu en as trop consommé, fais une pause pour un certain temps, vraiment. Tout d'accord, comme tu veux. C'est pour ton bien. Hein. Sinon, si tu ne fais pas attention, ça va affecter tes reins et ça permettra à Aura de prendre une seconde épouse. Subhanallah, une seconde épouse Hmm. Donc arrête de faire la folle. Tu te rappelles, ma cousine du même âge que moi là, elle est toujours célibataire. Elle cherche désespérément un mari. À ce que je vois, ils formeront un joli couple avec Rachid, ton mari. <laughs> Qui pardon. Et pitié de moi. Je ne peux pas supporter ta cousine là. fais attention. En voulant arranger, à ne pas tout gâter. Fanta, à présent, c'est l'heure de la culture linguistique. Justement, c'est nous. Maman Ada est avec nous dans ce studio pour nous édifier sur le terme partenariat. Il est journaliste et traducteur en langue Hausa. Ada, bonjour. Bonjour, Fanta. Alors, Ada, ça va Vous allez bien oui, Ça va très bien. Alors, dites-nous, que veut dire partenariat Bon, tout d'abord, il faut savoir euh, ce que c'est qu'un partenaire. C'est une collaboration entre plusieurs acteurs économiques cherchant à mettre en place un projet un événement commun, évidemment en gardant leur autonomie respective. Alors, pour revenir à, au mot partenariat, selon le petit Larousse, il peut se définir comme étant un système associant des partenaires. Partenaires que nous avons définis un peu plus haut. Un organisme avec qui on s'associe afin d'atteindre un objectif commun. Voilà. Ada, vous avez aussi prévu de donner l'explication de ces termes en langue Hausa. Haka, wato partenariat ana Merci infiniment, Ada, partenaire, bien sûr. <laughs> Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un, vocal ou un message au 82 89 89 64. Je répète, 82 89 89 64. Et on retrouve nos chers auditeurs du studio Kalangu ils sont à l'honneur dans cette émission. Bien sûr, Fanta, c'est pourquoi nous leur dédions cet espace afin qu'ils s'expriment aussi hein, et donnent leur avis sur nos productions et en même temps avoir l'occasion de saluer leurs parents et amis. On les écoute. sunana malama hadiza usaini malamin makaranta a inspection ta ɗai ta birnin kwanne yana kula da karatun ɗiya mata studio kalangu lalle shirye-shiryensu ya yi kyau suna waye ma mutane kai bisa abubuwa da waya akwai fanni-fanni tunda wata rana ma mun sun taba iske mu inspection wata shekara sun kai mana tambayoyi gaskiya aikin su ya yi kyawu amma su ƙara ɗan hawa kama in akwai wani abu hakan ga in suna iya gayyatar mutane a zaka yi ba bisa gare shi a tattamna amma gaskiya tsarin su ya yi kyawu kama akwai sensibilization sosai akwai abubuwan da suke na wayewo kai na al'umma ai yau mai kifi za ku sanke na maryama da maryama kan gogaya studio kalangu wani programai gaskiya iriwo agokanir sai gumo wana wana sigiri ta jowo kan ite i wani faji kare kan yan gadan li sigiri iri iri yambon amaciya cawo fondara amaciya zan kai yi wala zan kai hallasa fondara amaciya lakal kanado hare amaciya cawo fondara haya Chers auditeurs, nous retrouvons Rafika Attaher qui va nous parler de l'actualité qui sera traitée dans la grande édition du soir. Bonjour Rafika. Bonjour Fanta. Alors, quels sont les titres de ce soir ah, Dans la grande édition de ce soir, euh, le président de la République du Niger, Bazoum Mohamed, effectue une visite de 48 heures au Bénin. L'objectif de son déplacement est de raffermir les relations entre les deux pays à la veille de l'exploitation du pétrole brut nigérien vers le Bénin à travers les pipelines. Nous parlerons ensuite des individus en possession d'armes qui ont été arrêtés à Agadez. Dans l'édition de 17h, le procureur expliquera la différence entre le permis du port d'armes délivré et certaines armes de guerre détenues par les citoyens. Et enfin, bien sûr, dans la partie magazine, nous parlerons, nous allons faire un zoom sur le métier d'une femme vendeuse de café dans la ville de Dosso. Merci beaucoup Rafika. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Fan et Ali Moukaila alias Senou. C'était un réel plaisir de vous avoir tenu compagnie ce matin. À la technique, nous avons Mustapha Ayouba et la grande dame Rahila Toussoumana à l'édition. Le rendez-vous est pris pour demain avec Olivier et Salamatu pour un nouveau numéro. Sur C. on le dira à nos auditeurs ciao. ciao.